Chers auditeurs du studio Kalangu, bonjour et bienvenue dans notre émission Les Niger c'est Kalangu. Pour ce dernier numéro de la semaine, vous êtes avec Rabia Mekano et moi-même Habiba Ahmed. Rabi, j'espère que tu es en pleine forme ce matin. Oui, Habiba, ça va très bien. Et pour boucler la semaine, nous vous proposons, comme chaque vendredi, la revue de la presse, suivie des rubriques axées sur l'entrepreneuriat des jeunes, l'écho des régions qui aujourd'hui nous transportera à Gaïa, région de Dosso, pour parler de la situation du paludisme. Et ce n'est pas tout. Nous allons découvrir ensemble une jeune artiste spécialisée dans les décors, certici et basins. Nous recevrons mademoiselle Farida Chebou en musique, on va aller avec quelques-unes des plus belles voix du Niger. Mais avant de découvrir le contenu de notre programme, voici le flash avec Rafika Attaher. Bonjour Rafika. Bonjour Rabi, comment vous allez les filles Ça va bien. D'accord. Euh, pour ce matin, dans un communiqué diffusé tard de la soirée d'hier, le porte-parole du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, colonel-major Amadou Abdraman, a annoncé que tôt le même jour, le président déchu Mohamed Bazoum a tenté de s'évader au lieu où il est gardé. Cependant, cette tentative a échoué. Selon le porte-parole du CNSP, l'opération soigneusement orchestrée a été contrée grâce à l'action rapide et déterminée des forces de défense et de sécurité nigériennes. Le CNSP rassure que la situation est sous contrôle et les principaux auteurs de la tentative d'évasion ainsi que leurs complices ont été arrêtés. Selon le communiqué, une enquête a été déjà ouverte par le procureur de la République. Ensuite, l'Union européenne a annoncé hier aussi avoir déclenché une opération de pont aérien humanitaire pour le Niger comprenant un total de quatre vols transportant environ 60 tonnes de fournitures médicales essentielles. Le premier vol a atterri à Niamey hier. Cette opération vise à combler les lacunes en matière d'approvisionnement médical essentiel dans le pays, exacerbées par les sanctions de la CDAO et l'UOMOA à la suite du coup d'État survenu le 26 juillet dernier. Ces perturbations ont entraîné des problèmes dans la chaîne d'approvisionnement pour les produits vitaux, indique Actu Niger. Enfin, le Niger est élu membre du bureau exécutif du directoire de la conférence des ministres de l'environnement du monde islamique pour un mandat de deux ans. C'est à l'issue de la neuvième édition de cette rencontre dont les travaux se déroulent à Jeddah, en Arabie saoudite, a annoncé hier Mustafa Aloumeïga, responsable de la communication du ministère de l'Environnement. Selon lui, cette élection est le témoignage éloquent de la place qu'occupe notre pays de la Oumma islamique. C'est tout pour euh, ce flash de ce vendredi. Merci, Rafika, Taher. <laughs> À bientôt. À bientôt. Nous l'annoncions tantôt, nous sommes avec Farida Chebouhamidou dans ce studio. Bonjour Farida. Bonjour Rabi. Vous êtes titulaire d'une licence en administration et gestion des entreprises. En même temps, vous êtes étudiante en troisième année de biologie et également styliste spécialisée dans le décor sur tissu, basin et autres articles. Merci. Mais avant de vous donner la parole, allons avec notre première musique, avec l'hymne de la jeunesse de la grande diva Fatih Mariko. qu'on nomme affectueusement au Niger l'hymne de la jeunesse panafricaine, était à la base un poème écrit par le nouvelliste et réalisateur nigérien Haruna Koulibaly. Il l'a proposé à la chanteuse Fatima Rico en 2001 et vu le résultat en chanson, c'était une super idée. À travers cette chanson, Fatima Rico a voulu toucher la jeunesse africaine avec un message fort et nous rappeler les grandes figures super inspirantes du, du panafricanisme. Cette grande dame est sans doute l'une des plus belles voix du Niger. Fati est née en 1964 à Niamey. Elle a vécu quelques années au Mali où elle découvre de nombreux instruments dans sa famille. L'artiste a bénéficié de l'influence musicale de son oncle qui n'est autre que docteur Kelete Mariko qui jouait à l'époque dans l'orchestre amical à Niamey aujourd'hui très active au Centre de formation et de promotion musicale CFPM Taya de Niami. Fatih a travaillé avec des grands musiciens tels que Yakouba Denke Denke Haro, Abdallah Jones, Sofa Collé, Adams Junior, Poussy et j'en passe. Et accompli ton devoir sacré de reconquérir ta dignité bafouée. jeunesse panafricaine, c'était la grande diva Fatima Rico. Retour au studio avec notre invitée Farida. Dites-nous comment vous avez découvert votre passion pour la mode et le stylisme. Bonjour Rabi. Bonjour. Habiba. Bonjour Farida. monsieur. J'espère que vous portez très bien. Ça va, super. Tout d'abord, j'ai découvert euh, ma passion pour le stylisme et la mode quand j'étais en, en classe de troisième j'ai commencé à aimer. Il y avait une professeure, on a un autre professeur de français qui s'appelle Madame Lamis. On l'a surnommée Madame Lamis. Donc c'est à travers cette dame-là que j'ai été motivée parce que j'aime sa façon de s'habiller, tout me plaît sur elle. Donc euh, ça m'a beaucoup motivée, ça m'a beaucoup poussée. Je me suis dit, je dois aussi me lancer dans la mode et le stylisme. J'ai commencé à porter les tunis, les blazers, les... j'ai fait les petites créations, j'ai fait les coutures moi-même. Donc avec les sacs, j'ai commencé à à customiser vous-même, à accessoiriser. Voilà, et tout. à dessiner, à prendre le crayon, à commencer à dessiner. Donc c'est là que ça a commencé. Farida, d'où vient l'idée de mélanger le pagnes ou le bogolan dans votre design L'idée m'est venue lorsque j'ai commencé ma troisième année en administration et gestion des entreprises. J'ai vu, vu sur Instagram, Facebook, les formations, on lance les formations sur, sur la mode, comment confectionner les sacs, les tunis, les boucles d'oreilles, les colliers. Je me suis dit pourquoi pas me lancer dans la chose parce que déjà je suis <coughs> amoureuse de la mode. Je dois vraiment faire ça et il le faut pour contribuer à notre très cher pays, le Niger. Et je crois que vous avez vos créations avec vous ici. Oui. Vous pouvez nous les montrer Merci. Bien sûr. Ok. Ah, très beau sac. Comment décrirez-vous euh, votre style personnel en matière de mode je dirais que je privilégie le confort à la mode. Ok. Oui. <coughs> Ce n'est pas, cela ne veut pas dire que je m'habille n'importe comment, mais je préfère m'habiller dans une tenue dans laquelle je me sens à l'aise. Par exemple, les chaussures, je n'aime pas porter les talons parce que je me sens mal à l'aise dans les talons. Je préfère les ballerines et les sandales. Mhm. Voilà. Ok, pour vous, c'est le confort. Donc, les créations où on <laughs> est coincé, coincé, là, c'est pas pour vous. pas pour vous. Alors, vous avez choisi un terme Yoruba pour désigner votre collection. Pourquoi L'Ankara, en fait, ça n'a pas été choisi par nous-mêmes. On a trouvé ça. Mhm. Par exemple, une fois au, Nigeria, on a eux, ils appellent le pain Ankara. Mhm. C'est une marque. C'est une marque on a trouvé ça, on n'a pas désigné ça nous-mêmes. Mais il y, a nos collections qu'on a créées nous-mêmes et puis on nomme les noms et puis tout. Par exemple, j'ai la collection Daniel que j'ai mhm. fait sortir le 5 euh, août 2023. Mhm. Cette collection, j'ai dû mélanger la natte, le tissu et le cuir. D'accord. L'utilisation de ces pains qui ne sont pas nigériens fait de votre collection nigérienne ou tout simplement africaine Tout simplement africaine. Le but est de mettre en valeur la mode africaine. C'est tout. <laughs> Voilà. Elle, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. <laughs> voilà. Ben, avant euh, de poursuivre notre entretien, faisons place à Mokhtar Hamadou qui vient nous présenter la revue euh, de la presse. Bonjour Mokhtar. <coughs> Bonjour Rabia Maïkano, bonjour Habiba Ahmed. Alors, l'hebdomadaire inter Niger parle d'une tentative d'exfiltration du président de CHU, Mohamed Bazoum. Eh oui, Rabi, selon le journal, une tentative d'exfiltration du président Mohamed Bazoum a été déjouée euh, jeudi 19 octobre 2023 aux premières heures de l'aube. Euh, cette action menée par des éléments de la garde présidentielle avec euh, des commanditaires nigériens et extérieurs euh, devait permettre au président déchu de quitter son lieu de détention pour un autre lieu en périphérie de Niamey. De là, il sera conduit hors du territoire national Bernikabi au Nigeria grâce à l'appui logistique d'une puissance étrangère, rapporte un communiqué du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP. Une, une, vingtaine de personnes présumées impliquées sont déjà aux arrêts, dont certaines ont été appréhendées dans plusieurs résidences en périphérie de la ville, constituant ainsi le bras d'exécution du plan ficelé et qui devrait connaître son début d'exécution ce vendredi 20 octobre. Ordonnance de libération du Salem Mohamed Bazoum. Les avocats de l'État du Niger ont fait appel, titre en gros le journal à ligne Actu Niger. Oui, euh, des sources judiciaires, nous apprenons que les avocats de l'État du Niger, à travers l'agence du judiciaire de l'État, ont fait appel de l'ordonnance du 6 octobre 2023 par laquelle le juge de référé du tribunal de Niamey, saisi par le conseil du fils de l'ancien président, a ordonné la libération de Saleh Mohamed Bazoum selon Actu Niger. Dans l'ordonnance rendue le vendredi 6 octobre 2023 par le juge des référés du tribunal de grande instance hors classe de Niamey, qui est statué publiquement et en premier ressort, un délai de 15 jours avait été assorti à la décision pour avis d'appel. C'est ce que les avocats de l'État du Niger viennent ainsi de faire de droit, ce qui ouvre la voie à une nouvelle étape de cette procédure judiciaire qui s'annonce longue, au regard de l'allure que prend le dossier. Pour rappel, Salim Mohamed Bazoum est gardé depuis le coup d'État du 26 juillet dernier au sein, de la résidence présidentielle en compagnie de ses deux parents. Le gouvernement de la transition euh, vend en debout contre l'introduction des pratiques LGBT dans le système éducatif national, à titre le site d'information gouvernementale, l'agence nigérienne de de presse ANP. Oui, Rabbi, selon l'ANP, le gouvernement de la transition militaire au Niger a manifesté ce samedi 13 octobre 2023 son désaccord et son mécontentement quant à la tentative de certaines personnes à vouloir introduire des pratiques homosexuelles dans le système éducatif du pays. Cette position de l'exécutif nigérien a été exprimée à travers une communication de la ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales lors d'un conseil des ministres tenu le même jour. À cet effet, selon la ministre de l'Éducation, le gouvernement rassure les Nigériens de toutes les mesures qui ont été prises, citant d'une part la volonté du gouvernement d'identifier et traduire devant la justice les responsables et leurs complices de cette démarche contraire à nos lois et mœurs, et d'autre part pour que les, les actions et messages portés par les Nigériens partout dans le monde soient conformes à nos lois, à notre culture et à notre religion poursuit la ministre. Alors, l'Union européenne lance un pont aérien humanitaire de 58 tonnes de fournitures sanitaires essentielles en réponse à la crise de l'approvisionnement médical. Titre les sites d'information du journal à Actu Niger. Et oui, Habiba Ahmed, le, journal nous apprend que l'Union européenne a récemment déclenché une opération de pont aérien humanitaire pour le Niger comprenant un total de 4 vols transportant 58 tonnes de fournitures médicales essentielles. Le vol, le, premier vol a récemment atterri à Niamey. Cette euh, opération vise à combler les lacunes en matière d'approvisionnement médical essentiel euh, dans le pays exacerbé par les sanctions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CDAO et de l'Union économique et monétaire ouest africaine l'UMOA à la suite du coup d'État survenu le 26 juillet dernier. Ces perturbations e-, ont, entraîné des problèmes dans la chaîne d'approvisionnement pour les produits vitaux, provoquant une hausse significative des prix sur le céréal local, sur le marché local. Ces factures ont créé un écart considérable entre les besoins et la population nigérienne et les ressources disponibles pour y, répondre. Pour remédier cette situation, l'Union européenne a mis en place un pont aérien humanitaire comprenant un total de 4 vols transportant 58 tonnes de fournitures médicales essentielles. Cette initiative témoigne de l'engagement euh, continu de l'Union européenne à soutenir le Niger dans cette période difficile en contribuant à garantir que les fournitures médicales essentielles parviennent à ceux qui en ont le plus besoin. Et c'est tout pour euh, la revue de la presse de ce vendredi 20 octobre 2023. Merci, Merci On se dit à la semaine prochaine pour une autre revue de presse. À bientôt. Nous allons poursuivre notre entretien, c'est ça Oui. Ok. Farida, dites-nous comment conciliez-vous responsabilité d'étudiante et votre passion pour la mode Je dirais que c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire, mais quand même, tant qu'on a le courage, la persévérance, la passion, on va y arriver. Ça n'a pas été facile de faire euh, le stylisme, la mode et encore les études, mais quand même, j'ai su le faire et je continue à me battre jusqu'au bout. J'ai une petite question qui me taraude euh, l'esprit là. Est-ce que vous avez un styliste qui vous inspire, un grand styliste qui vraiment vous inspire dans ce que vous faites Oui. C'est qui Alphad Alfadi. Ah, ben voilà. <laughs> Est-ce que vous avez des contacts avec euh, d'autres stylistes nigériens ou de la sous-région alphadi par exemple, vous, êtes en contact avec d'autres stylistes Oui, je suis en contact avec alphadi Il y a qui a fait Fashion. Il y a une amie burkinabé qui aujourd'hui, vraiment, machallah, elle est <coughs> parmi les meilleures. Elle s'appelle Nadine Yuma. Voilà. Donc, je suis en contact avec eux là. Et quand même, ce n'est pas tout. Il y a Dosso. On a encore des, <coughs> des connaissances Dosso, des stylistes encore. Voilà. Ferida, est-ce que votre collection est appréciée hors du Niger Oui, notre collection est très bien appréciée au Niger. Par exemple, à Libreville, on a une ambassadrice qui s'appelle Danielle, celle qui porte déjà le nom de la collection. Mhm. Elle est là-bas à Libreville. Au Cameroun, on a une qui s'appelle Aïcha. À Dakar, on a un homme, c'est mon ami. Il s'appelle Ibrahim Karimou. Lui aussi, il gère là-bas l'entreprise avec la Là. Ah, super. Et est-ce que ça marche Est-ce que vous arrivez quand même à, facilement écouler vos productions Oui. D'habitude, on travaille sur commande. On fait les publications. Quand les gens disent je suis intéressé, je veux ceci, on lance la, personne lance la commande, on confectionne pour la personne. Donc, à Brésil aussi, c'est comme ça que je fais. J'envoie à Daniel, elle, avec ses amis. Elles sont vraiment elles, trop fans de sa collection. Surtout quand c'est Daniel Collection, elles aiment, très, oui. oui. elles aiment tellement avoir cette collection Daniel. Donc c'est comme ça on travaille. Bah, avant d'aller sur les défis, on aimerait bien savoir qu'est-ce que vous êtes en train de préparer actuellement Il y a une nouvelle collection qui Oui, il y a une nouvelle collection qui s'annonce. OK. Farida, j'aimerais savoir, est-ce que les parents vous apportent un soutien pour la réussite de vos activités Oui, ils m'apportent vraiment leur soutien, surtout l'encouragement. Parce que moi, tant qu'on m'encourage dans la chose, je sais que j'irai de l'avant jusqu'au bout. Et la place à la dernière question, quels sont les défis auxquels vous avez été confrontés en tant que jeune styliste et comment les avez-vous surmontés Je dirais que les défis sont un peu nombreux. OK. <laughs> Surtout avec les clients, ce n'est pas facile de gérer. Tantôt la personne lance la commande, tantôt la personne dit non, il faut prochainement, il faut ceci. Or on travaille sur commande. <coughs> il faut respecter votre rendez-vous. Quand vous dites à la personne, vous aurez telle chose, tel moment, je pense que il faut que le client ou bien la cliente soit satisfaite de la chose. Donc, on n'aime pas voir les clients commandent telle chose et puis dire non, j'annule la commande. Voilà, ça perturbe un peu les choses et puis c'est pas bon. Ouais. Voilà. Bah, avant de se dire au revoir, on va bien voir euh, les, détails de, votre sac. Et je crois qu'il y a une les chaussure aussi. aussi. Il, a, il, y a, une chaussure en bas. Oui, il y a les chaussures. On peut voir Oui. Ok. Et c'est fait à la main Oui, c'est fait à la main les chaussures. Ok. Ok. Et le sac, <laughs> on peut voir les finitions. C'est du, du grand travail. Hein. <laughs> Ouais. Donc, il y a les boutons un peu de côté pour bien fermer ça. Ok. À l'intérieur aussi, c'est le pan si vous remarquez. Ah oui. oui. C'est très joli. On vous souhaite une bonne réussite, vraiment beaucoup de courage, Farida. Merci beaucoup. On va se revoir certainement sur d'autres émissions avec d'autres créations. Merci Rabi, merci, voilà. merci Farida, bye bye à bientôt. Merci. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production c'est l'heure de notre rubrique hebdomadaire et comme chaque vendredi, nous parlons entrepreneuriat. Et eh oui, Rabi, les jeunes de Maradi s'intéressent beaucoup à l'entrepreneuriat. Nous parlerons de jeunes qui viennent de l'exode ou de la migration, qui créent leur propre affaire. Suivez ces reportages de ou Ibrahim. Duk da cewa ɗaruruwan 'yan Nijar ne ke fita cira na ƙasashen waje a duk shekara, sai dai wasu daga cikinsu kan dawo gida bayan wani ɗan lokaci tare da kafa wata sana'ar dogaro da kai domin raba kansu da yawon cirani. A nan, mun kawo ziyara ne a wani gidan buga biredi da ke gundumar Tasawa a jihar Maraɗi. Muhammadu megizo da ya kwashe shekaru uku a ƙasar libya shine ya buɗe wannan masana'anta bayan dawowarsa gida ko da ni tahi na iya aiki da na hito da libya na samo jinnariya na zo na sai da jinnariyan nan tamomi ni yi kiwon bisashe sun kai su ne na sai da na sai wannan kayi yayin da burin mai gizo ya cika na kafa wannan masana'anta da yanzu haka ke da shekaru goma da kafuwa yanzu haka da ya horar da matasa da dama wannan sana'a ta buga burodi a nan tasawa da ni zu na hori yaro guda wanda ne nan ne iske shi bai taba ganin harkar burodi ba ni ni koya mai yanzu har ya ta yana yin na kai akwai agali a ƙarƙashin koyawa ta yake ci kuma hashi yana da baya yanzu nan da nake a ƙaddara ba ne da ba ne da ina da yaro sama ga goma a nan ko muna cibiyar kere-keren kayan karafuna ta Bashir Muhammad Abubakar da ke nan birnin Maradi, kamar dai gidan buga burodi na Muhammadu Mai Gizo Tarihin wannan cibiya ya samo asali ne bayan dawowar shugabanta daga diga. Na ta kasar Libya domin cika wannan burin ni in in samu kayan sana'a wanda za zuwa in girka kaina kuma haka nan Allah ya cika mani na kuma da ikon Allah Allah ya taimake na samu kuma shi kenan muka da gida kuma muka girka sana'a. A ƙarƙashin wannan cibiya ta Bashir Muhammad Abubakar matasa da dama ne irin su Abdulkarim sai da ke samun horo. Eto eh, da yanzu na kai san kan yana tare da shi. babu aikin da ba a bani da yana a yan ban yi shi ba abin da ya koyi ya netar duka da saura duka abin da aka bani yana yi babban buri na dai shi dai ne dai bai wace ni wata rana dai in buɗe gishi na wani kaina wanda za ni zuwa ni tara yara kowane a koya mashi aiki Shebu Isa ɗan Nijar da ke aikin samar da wutar lantarki a cikin gidaje a karkashin wasu 'yan Pakistan da Indiya a kasar Libya na fatan dawowa gida tare da yada fasahar da ya koyo ga sauran jama'a. Zan zo in buɗe kamfani insha Allahu ina da wannan gurin. Ma'aikata ce zan yi unhwani da ita ta kaman koyar da karantar da yara harakan installation Abun da ni koya din nan shine wanda ni ma zan bayo ƙasa ta gudunmuwa da wannan abun insha Allah. Wannan dai wani babban abun koyi ne ga ɗaruruwan 'yan tirani da ke kwarara ƙasashen waje wajen dawowa gida idan abin nema ya samu tare da kafa wata sana'ar dogaro da kai domin yada arziki ko fasahar da aka samu ga sauran jama'a. Deuxième tour à musique avec Gazera de Femme Moussa Poussi. est sans nul doute l'une des plus grandes voix de la musique nigérienne. Il a valablement représenté son pays pendant plus de 20 ans. Reprenant les rythmes traditionnels, il les adapte au son des instruments modernes, créant ainsi une musique nouvelle en accord avec la culture du Niger. Son but était de faire connaître sa musique et son pays à l'Occident. Et oui, Rabi Moussa Poussi et ses Poussiquettes ont raflé plusieurs prix aux rencontres Musical nationale et internationale. Le 3 juin 2008, le Niger perd un grand homme de la culture de suite d'une longue maladie. Moussa Poussi laisse derrière lui un riche et immense patrimoine musical. हरे C'était Gazera faits Moussa Poussi. Place à l'écho des régions. Oui, Habiba, Direction Gaïa, ville Carrefour, avec sa pluviométrie abondante par rapport aux autres départements du pays. Ce département connaît un pic de paludisme chaque année. Cependant, la situation est sous contrôle avec une réduction de cas enregistrés cette année, selon les responsables sanitaires. Suivons les reportages de Balkissa Ahmed Sidi. Le paludisme une maladie parasitaire euh, transmise par les moustiques continue de constituer un défi majeur de santé publique dans de nombreuses localités du Niger. Cependant, Agaya, ville la plus arrosée au Niger, des efforts concertés visant à contrôler la maladie ont porté leurs fruits avec une réduction significative des cas, nous confie Major Ousmane Alele Suleiman, responsable au CSI Gaïa Plateau 1. L'année passée, pour le mois d'août, pour les enfants qui n'ont pas 5 ans, on était à 210 cas de paludisme et cette année, on est à 161 cas seulement. Et pour ceux qui sont donc 5 ans et plus, l'année passée, on était à 270 et cette année, on est à 196. Pour les femmes enceintes, l'année passée, on était jusqu'à 36 cas et cette année, on est à 25 cas. Donc, vous voyez, pour toutes les tranches d'âge, vraiment, cette année, on, observe une accalmie par rapport à l'année passée. Vous voyez, l'année passée, d'abord, on a fait la distribution des moustiquaires imprégnés. Et cette année encore, on est revenu pour refaire cette distribution pour la tranche d'âge 0-9 ans. Chaque enfant a reçu une moustiquaire. Et toutes les femmes enceintes aussi ont reçu une moustiquaire individuellement. Donc, vous voyez, ça, ça va contribuer vraiment dans la prévention. Et après cela, encore, on a fait jusqu'à deux campagnes. On vient de finir notre deuxième passage pour la CPS, la chimio-prophylaxie du paludisme saisonnier. Ça aussi, vraiment, on a observé que les gens sont en train d'adhérer beaucoup à cette prévention. Donc, parce que l'enfant, d'eux, qu'il prend ces produits-là chaque mois, chaque passage, si le traitement est respecté jusqu'à la fin de la période pluvieuse, l'enfant ne sera pas malade. Au moment où certains ont constaté le changement, d'autres pensent que la situation du paludisme reste toujours compliquée. Cette année, dans ma famille, il y a un seul enfant qui a fait le paludisme. L'année passée, je crois que les trois, tous les trois ont fait. C'est un seul seulement qui n'a pas atteint le paludisme. Oui, je pense que c'est parce qu'on a pris les médicaments pour la prévention du paludisme de 0 à 5 ans. J'ai fait le palu deux fois cette année. Vraiment, le, paludisme de cette année est un peu compliqué. Avec la pluie et les déchets, donc le, moustique devient de plus en plus aussi dangereux. dans les années précédentes, euh, il suffit de prendre de la quinine, de la nivaquine, et puis vraiment, on va constater que la personne euh, euh, se guérit facilement. Maintenant, avec l'évolution, parce que les moustiques s'adaptent, en tout cas, euh, les gens n'arrivent plus à faire face à cette maladie. Au CSI Gaïa 1, il y a eu moins de cas chez les enfants. La responsable, Mme Edoui Ramotou, de lancer un appel aux adultes à fréquenter les centres de santé afin d'éviter les complications de cette maladie. Chez les enfants de 0 à 5 ans, on a enregistré au niveau de notre CSI 296 enfants. Et les supérieurs à 15 ans, c'est-à-dire les enfants de 5 ans et plus, plus les adultes aussi, on a enregistré 226. Par rapport à l'année dernière, le mois d'août 2022, on a enregistré au niveau des enfants de 0 à 5 ans 433 enfants. Et les supérieurs à 5 ans, 387 enfants. Et les femmes enceintes, 106 femmes. Bien sûr, il y a une nette différence. L'année 2022, on a enregistré plus de cas de paludisme par rapport à cette année les cas de paludisme supérieur à 5 ans ont régressé et les adultes ne fréquentent pas beaucoup dans nos centres de santé. Donc, le message que je vais lancer à l'endroit de la population, c'est d'éviter l'automédication. Si la personne est malade ou bien si l'enfant est malade, de se précipiter dans le centre de formation sanitaire. Parce que vous savez, le paludisme a des conséquences et des conséquences graves tant que la personne n'a pas consulté un spécialiste pour se faire traiter et qu'il achète les produits du marché, ça peut donner des complications, comme les cas d'anémie, les convulsions. La réduction significative des cas par rapport à l'année précédente est le résultat d'efforts collectifs visant à sensibiliser, prévenir et traiter le paludisme. Cependant, il est essentiel de maintenir ces efforts pour atteindre l'objectif ultime de l'élimination du paludisme à Gaïa et dans le monde entier. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. À présent, parlons sport. Bonjour Soumana, quelles sont les nouvelles aujourd'hui Bonjour à toutes. Donc, direction SAI, dans la région de Tlabiri, où le directeur départemental de la jeunesse et des sports nous fait la situation du football dans la commune. Doudou Karimou, donc, que je vous propose d'écouter. Dans l'enceinte euh, du centre de promotion de jeunes là, ça aurait été dans la soirée, vous allez remarquer vraiment un engouement euh, autour du football. On n'a pas une équipe euh, représentative au niveau de la région. La pratique s'arrête au niveau du département. On organise des TGV. Cette année, on avait organisé un tournoi de la zone fleuve. Tous les villages qui longent le fleuve. Et en dehors de ça, il y avait un tournoi tournoi aussi qui a été organisé par euh, euh, l'ancienne l'ancien député Amadou Diofo. Pratiquement chaque année, on organise des, des, tournois et des TGV au niveau local. En dehors des terrains dans les établissements, le seul terrain de la commune est vraiment impraticable, surtout en saison hivernale. Généralement, les entraînements se font dans les établissements. Pendant les vacances, euh, on a vraiment un problème de terrain de football. Euh, on va essayer de voir euh, avec le maire si vraiment il pouvait nous donner un terrain qu'on va aménager, Inch'Allah, pour que vraiment ça puisse servir de terrain pour la pratique du football. Eh bien, globalement, le football euh, n'est pas développé dans la commune urbaine de Saï, même si les jeunes s'intéressent beaucoup à ce sport. Des difficultés freinent les révolutions. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci bien, Soumana. bientôt. Merci à vous. Rabi, qui a l'honneur dans la rubrique portrait Aujourd'hui, sous la lumière de notre projecteur, Madame Saudat Abubakar Kabir, une activiste qui lutte pour l'éducation de la jeune fille au Niger. Rekia Almi est allée à sa rencontre. On écoute le reportage. Madame Saudat Abubakar Kabir est titulaire d'un master en communication. Après avoir occupé plusieurs postes au Niger et à l'extérieur, Madame Saudat est actuellement écrivaine, journaliste, fondatrice du magazine Voix des femmes africaines. En 2013, elle réalisa son rêve avec la création de l'ONG Al-Ihsan, une ONG qui œuvre pour l'éducation de la jeune fille en milieu rural. Elle nous raconte les raisons qui l'ont poussée à créer cette ONG. J'ai créé euh, l'ONG Al-Ihsan pour euh, vraiment euh, faire un bon développement à la jeune fille rurale, surtout les jeunes filles rurales et les jeunes filles qui passent leur temps à passer dans les rues, à faire, comme on l'appelle un Hausa, Talla, surtout dans les localités Hausa. J'ai vu beaucoup, beaucoup de jeunes filles qui se sont données à la prostitution. On ne peut pas se dire qu'elles se prostituent en ayant des euh, de prostitution, non, elle se prostitue à la maison sans pour autant se rendre compte. Parce qu'une fois que la femme amène, ou bien la fille de 15 ans, 16 ans, amène juste... Euh, 2500, euh, 5000 à la maison alors que tu lui as posé quelque chose de 1000 francs, 1500 et tu le demandes pas. Et parfois, quand la jeune fille n'amène même pas cet argent, elle a tous les problèmes du, du monde avec sa maman. Euh, ce qui fait en sorte que j'ai vu beaucoup, beaucoup de jeunes filles s'égarer une fois. Donc, c'est l'ampleur de Tala et l'ampleur aussi de n'ayant pas une éducation parce que j'ai eu l'opportunité d'avoir une très bonne éducation donc pourquoi pas eux Si réellement ces jeunes filles ont eu une bonne éducation, comme le dit euh, un euh, éduquer la femme, c'est éduquer toute une nation. Et avoir l'opportunité d'avoir une fille éduquée, donc euh, va devoir avoir euh, aussi des bonnes descendances. Avec l'aide de ses partenaires, Madame Saoudat Aboubakar est très satisfaite de son travail que je suis euh, satisfait du travail que j'avais fait. Surtout quand tu accomplis quelque chose que vraiment une totalité de gens sont fiers de toi euh, parce que tu as amené un changement, un très grand changement à ta population, surtout à la population rurale dont tes parents aussi sont de cette population. Donc c'est vraiment un travail bien fait et un travail bien accompli. Bien que ça n'a jamais été facile de changer la mentalité des gens bien des, des, des communautés surtout euh, quand tu parles de la femme. C'est très, très, très difficile, mais alhamdulillah, on est satisfait du résultat parce que avoir donné de l'éducation à beaucoup de jeunes filles, elles sont devenues indépendantes et elles-mêmes sont vraiment fières de ce qu'elles font. Donc vraiment, c'est une fierté nationale euh, pour toi-même qui, qui, est vraiment l'initiateur de l'initiative. Euh, c'est quelque chose que tu fais comme une sadaqatul jariya. Merci Adamo Bouraïma Sidibé, maire du 10 e arrondissement de Niamey, apprécie la collaboration et le courage de Madame Saoudat Aboubakar Khabir. Saoudat Aboubakar est une euh, femme leader que nous parrainons depuis deux ans. Nous avions fait sa connaissance en 2022 et lorsqu'elle voudrait organiser une journée de prière collective en faveur des FDS victimes du terrorisme. Et cette année, en 2023, elle est venue avec une nouvelle initiative et à l'occasion de la journée de l'enfant africain célébrée le 16 juin de chaque année récemment aussi, nous avions été surprises par euh, Saoudat à la suite euh, d'un prix, n'est-ce pas, dans une, euh, une manifestation, n'est-ce pas, organisée à l'intention de la chefferie traditionnelle au Nigeria. Donc, elle a été couronnée et elle a voulu, bien voulu nous dédier ce prix qu'elle a reçu. Nous tenons à l'encourager et à la féliciter et pour que vraiment elle continue à initier ces genre d'action pour le bien-être des populations vulnérables. Selon Madame Saoudat Aboubakar, l'éducation de la jeune fille est un élément essentiel pour son autonomisation et aussi un enjeu pour son épanouissement. Éduquer une fille, c'est lui donner la possibilité d'acquérir des connaissances qui lui permettront de prétendre à un métier et de construire son avenir, a-t-elle conclu. Merci Rakia Arimi pour ce portrait qui inspirera plus d'une. Une autre belle voix pour boucler notre playlist d'aujourd'hui avec le titre Keta de Safiat. c'est ce beau message chanté par cette grande artiste nigérienne. En kiff sur cette émission. Faisons place à la rubrique Lottie pour parler des co-épouses. Voilà, euh, c'est ce son de Sociat qui annonce la rubrique Loti d'aujourd'hui. Et cette rubrique nous parle de celles-là même qui agissent violemment quand leur mari veut les seconder. Certaines vont jusqu'à attenter à la vie d'une personne. Et c'est bien la loi est bien la loi est là pour sévir. C'est ce qui ressort de cet échange entre Salamatou Kadri et Samira Wafi, suivant ensemble. a gaigar windowora da irko ba a siwa da ai ai sai na ga tego wate jirmar jikin dagogwar charban de a gake sai larab sanni ga gaigar ne wai ma mata gankani gwargasin ai goma ni sai za ai windi zora ai mil bani ni ba fono go salan kan baga si sigobon ai na man dai na ngai manu kadi hankan no gote hey kadi ai sai kuttu ginsi a wulle sigite wai kai min ha tali gai gano ai ga merni bai a ni si meri to ya dinga ai zenu no wala a gogi sin wallahi ni man sen wai fo sen go ga hayan ai wotai si hmm. ai ai sin ha ya mu ya mu go gai gorai te ai kwar bor manai sai kan ga bunga mu koyi san bukka ga da kai ga ga tai sai wacce ha zam so nga tai noru sai wala go mota bereira ga windi windai ne ya norote dirgan jiro wo kulu go kin inda tai kyar bandugu dugu to ne wo son na ganin ga ga tai sai hadda aigo ba ra hiyawo asate a a mari ni lakal kanandi mantan dunya tun yan no bo nan dunya man ban mantin gana sinti na si banni gamo mantin hinni se ni sintin gite waice ya dinga ni min lakal kanandi ni mga idan da wani ni kwa lakal se ni zan kai mu bo sai im dug zada gune ni wo albegi no ni him ta albegi ni noti wanda bego ya dinga ni him gimbonte lakal koni ni yi mu dugin berandi wankan go ga da kingamu ingumo min berandi ifo hadde hijawo sannu a man faida ha aigihin ga ba'awi subhanallahi mari shine yadi ne ha masalan ya ce ne masidin yankan irwa alsilama yanno da yadin no irko kodar ni se hay kunno sa gangi har sa ka safun sa ka yadin gani himga yaddan da wadi maskoi ga masal foyen tunan dikkan din bon sefa gune ni wasan ni bobo noni ni gaba gune ayi mawi ayi mu bar gai bon wi ayi mu di ma ifo na kwagi hijai te da wadin banda wiyan nik ba ni min kunyi wi hijai maga wallahi ma hagoi dimbo marin bai hankan ga fattin wura hankan go ciwo wallahi hamanta hannano ni su bai hankan ga hingu doni nin da juzu kwara bare ga marafa zuzu kwara zuzu kwara me nijar laboki titira man ne kala bokul kan na bofowi hin kwanda kasu ingin bo kala mu bu ago kasa dinga ya dinga ma hagoi dimbo ni mo de da foru ma ni go ye kata ga kwai ni ga tonton si o me hankan ni te bofo ingi de ni ye ga te ni se mi ko ni mu gunu gidi ni zan kai hawo kan ranig dirgina imne ugune no ya zankai din kan inyani bi igin binni kalima bu ko ni harila da giti nigin te ala tu miziyan ni woni sino go kaso din ne nigin bombi din bu buno ya ni nigo kaso babu bi te ala tu miziyan wallahi ma bai hankan nigici <laughs> ai wai sun da ba me sanni ai kan go wai bure kan ne yakin no ga ni kwara ya din bura sin mai wa kakau imini gote se wace hawino me ai sin da ba me sannai calera haba mari masine yade maguna har hanne kan goni me manta har lalihin no go wai kite yan rame il gidi kan maze go kan dinse agan ga goye a ni go ga nig zam ni ga yagin lakalo Il a izai ga koi ni goy ya din da mai wani kwar bor fai ga ga fai no mari wadin dati higa albarka mini mo sato din ni hinni seni go te son wagan te bokin karim ga ya kulfe mun ta gogin gagoi ya dinga ba no go kani ni waran him ga fai me sabai ga haru wat kanga kani ga din ni ma haikar rayi go so ir beri mari musidin yankan sen diye go hinna nan go kuno gaise nan gufo bien les filles, euh, chers auditeurs, le Niger sur Kalango se poursuit avec la culture linguistique. Justement, nous sommes avec euh, Maria Madé pour nous donner la signification du Fonds de solidarité en Bonjour, Bonjour Maria. Bonjour les filles, comment allez-vous Ça, va, très bien. Aujourd'hui, on va voir le mot solidarité. C'est ce qui unit des personnes dans un sentiment d'entraide. Ces personnes se sentent liées car elles font partie de la même famille ou vivent dans la même ville ou le même pays. Être solidaire, c'est le contraire d'être égoïste. On peut rencontrer ces mots dans plusieurs domaines, comme c'est le cas aujourd'hui au Niger où un fonds de solidarité pour aider la patrie a été institué. Là, on passe en tamashek. Ok. Ok. Solidarité, il y a une menace. Mhm. Felta metten une Il ngaresan. In kenara la krasnin. Iriwani en komera akalien. Ko na dole Thank you faut Thank you

Alors, euh, bonne suite de journée, chers auditeurs. Si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication en anglais, Zarma, Hausa, en Fulfulde ou en n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Je le répète, 82 89 89 64. Et maintenant, voici le message de nos auditeurs. Écoutons. kaanga lokaci ba ko ne iri kaanga ala suba iri kaanga wati kun kai ni labare no iba ya sitin da ladi wo tuwete je tiye no iganga o na le ba go kani ago ago girbe jani de kilo galgo sari wa ibo ganga de ai ganga da ba kani se wala abu abu ba ful ne da ba shi ai sani ma bai kala fulan wani wai fun subara mai go ai da ba kaga kaga labarin no ai tin da ma ai gari bo dai kulu an aika tufu bai kamro jara a suka gwada komino sunana hasu zab saurayen radio club muna da saurare ra'ayin da muka je muna labaru na duniya da ne shi ne muke saurari de su ya wuce kuma wanda ya sauran na yara na su kuma to da muke allah sa dai radio kuma lokacin da aka yi labaru yan eh, dama dan kara shi kai labaru su ne sai salfi oh ni na biya da mutanen yarka na biya da sai la Eva la Abdullahi Contable Ken Adidel da Abdulkarim. No, kowa da kowa da iyali na duka na bai da su a sassalam. Ba a yi magar mun kai la, kasi ne sai kusa kam. Kun yi gonin gidi a yau karanguwa la'awa kan nisi bon fere. zamba yi go labu ni ingano yi hangan labu ni yan wo harajo kene kene labara kai gima bon ni yisi mara harajo bero robo ya dinga ta alkuno yi sigima wala ya go kane sai ko mu kwana sigiro de gina jama ko ya sine kan nimbo akurfo sun wo dai gafo islamu jama kuse iko mu konda haraja gine ndego tere kan gabo iko mu ibu akumo wala fe iko mu kane sai laka kane labora dikan mi ka hayo eh ni mo ni mo wono kware da no me ni kan kambara go iko mi bana iko mi mo ada feri that Nous sommes au terme de cette émission de ce vendredi 20 octobre 2023. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle présentation avec un nouveau duo. Bien sûr, vous étiez en compagnie de moi-même, Rabia Mekano et Habiba Ahmed. L'édition a été assurée par Rahilo Toussoumana et Kadija. Et à la technique, nous avions Mustafa Ayouba. Ne manquez pas les rendez-vous, l'actu de Jeanne et tous à la FADA samedi et dimanche à partir de 17h, suivi du forum des studios Bon appétit à vous et passez un excellent week-end. week end